conteúdo de vocês. Yogadooey, Bayrak. Bayrak. Kogelin, Django. Voilà le Voilà le le Voilà. Voilà. madame. à remplir la salle. Et dans cette salle, il n'y a pas seulement que les gens de la vie. C'est toute la France qui est là. Je veux dire que c'est toute l'Europe qui est là. C'est toute la diaspora sénégalaise qui est là aujourd'hui. Donc, euh, un grand merci aux organisateurs qui ont tenu tête à ces gens, justement, qui ont eu peur de vous laisser organiser votre meeting à Mantelajou. Mais euh, ils savent que dans l'opposition, celui qui fait peur, c'est le président Mabillon. Nous allons donc commencer à prendre le rôles de Gwale pour les Hala. Ligue. Nous, on va commencer notre meeting et je crois que la presse qui nous avait critiqué qui disait que c'est une humiliation eh bien dira autre chose après le meeting. <laughs> Donc euh, là vous avez les coordonnateurs nationaux en la personne de Ibrahim Cham de Mais Ibrahim Cham, c'est lui qui va aujourd'hui souhaiter la bienvenue de ceux qui sont venus de partout, de tous les horizons, de toute l'Europe, parce qu'ils viennent dans son domaine, dans son fief. Monsieur Cham, il y a Chers amis, vous êtes très nombreux aujourd'hui et je vois comme un signe. On nous a interdit de tenir un meeting à Mantes-la-Jolie. Mais les manœuvres et les manigances n'ont pas empêché la forte mobilisation de nos militants. Sachez que Mantes-la-Jolie n'est plus le fief de la PR, mais une citadelle de beaucoup nous avons réussi notre part. Monsieur les représentants des fédérations Bokokiskis d'Europe, Monsieur les présidents de section, Monsieur les représentants des partis politiques, Monsieur les représentants des jeunes de Bokokiskis, chers militants et militantes, Mesdames et Messieurs les sympathisants, chers invités, je voudrais vous remercier d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je remercie particulièrement les membres du Bureau fédéral de France qui ont rendu possible ce rassemblement. La Fédération de France constitue un réseau mobilisant, militants et adhérent. Elle est l'expression la plus concrète de notre volonté d'être au cœur des préoccupations des Sénégalais de l'extérieur. Permettez-moi d'adresser une mention spéciale à mes frères et sœurs du Bureau fédéral qui donnent de leur temps et leur énergie pour défendre les couleurs du parti. Nous sommes également très honorés de la présence de notre leader, le président Pape Diop et la délégation qui l'accompagne. Mais aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis inquiet. Inquiet parce que je sens que notre pays va encore vers des moments difficiles. Les ruptures promises par le président Macky Sall aux Sénégalais ne sont pas encore au rendez-vous. La traque des biens dans l'acquis, qui devait répondre à une nécessité de réduction des comptes, une exigence d'une gouvernance sobre et vertueuse, s'est muée en règlement de comptes politiques. Sur le plan économique, il semble manifeste que le président Macky Sall est incapable de relever les défis auxquels notre pays est confronté. De son Yonu Yokouté au PSE en passant par le PUDC, il bien les tâtonnements et les tergiversations à fixer un cadre et une vision. Ces différents objectifs n'étant qu'en construction en projet, le scepticisme reste de mise pour une large part de la population sénégalaise. En effet, le gouvernement ne maîtrise rien, c'est-à-dire aucun critère qui assure la voie de l'émergence. Quand je dis rien, il ne maîtrise ni le taux de croissance économique, ni la taille de la population sénégalaise, ni la balance commerciale des exportations, ni l'intégration au monde financier international. Le gouvernement ne maîtrise ni le rôle stratégique de l'État pour le développement, ni les investissements de la recherche et, pour le développement, la recherche et le développement ni la capacité même de protéger notre pays. Macky Sall ne fait que promettre des milliards. Un distributeur automatique de milliards. Des milliards Des milliards, il en a promis des milliards. 204 milliards à Kolda. 306 milliards à Saint-Louis. 255 milliards à Kaolac, 360 milliards à Ziguinchor. 403 milliards à Durban, 201 milliards à Tambacounda, 250 milliards à Louga, et je ne sais plus combien au Fouta, vous me direz. Mais nous espérons, nous espérons qu'il tiendra au moins sa promesse pour la réduction de son mandat afin de soulager le peuple sénégalais. Macky Sall n'a pas n'a démontré dans l'exercice du pouvoir la lucidité d'un meneur, ni la clairvoyance d'un guide, encore moins la détermination d'un leader. Il est impératif de fermer la parenthèse Macky Sall pour redonner l'espoir au peuple sénégalais. Et s'il y a un homme qui incarne ce futur renouveau, c'est bien le président Partio. une passion et une ambition pour le Sénégal. Le Sénégal a besoin d'une alternative véritable, d'un projet citoyen clair pour le 21e siècle. Nous devons. Fabio est un leader moral et naturel, un homme d'État soucié du devenir du Sénégal. Nous devons le soutenir pour créer dès maintenant les conditions de la conquête du pouvoir, afin de freiner la dégradation sociale et remettre le Sénégal sur la voie de l'émergence et du développement économique. Vive Bon vive la République, vive le Sénégal. Je vous remercie. Bandirabe, on nani coordonnateur france vous l'avez bien écouté et c'est comme ça il faut bien écouter les gens pour savoir ce qu'ils disent euh, monsieur le Président, si vous regardez à droite, <laughs> vous voyez ces majorettes-là, <laughs> et à gauche aussi, mais ils représentent la jeunesse. Hein. C'est des jolies filles qui sont là aujourd'hui pour la créer, mais ils représentent aussi la jeunesse sénégalaise en France. Donc, euh, après Monsieur Thiam, nous avons Madeleine Barre. Mais Madeleine vient d'Espagne. Je disais tout à l'heure que c'est toute l'Europe qui est là. Madame Madeleine vous avez la parole. Salam alaikum. Je suis di nuyu te di leen tan te ñaan président de mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax wàcc sax du yàgg damay nuyoo rek Je suis wax la ah, donc, euh, vous avez entendu Madeleine Barre. Maintenant, nous allons vers le bureau le bureau fédéral, composé de suri Camara, membre fondateur de la fédération. Et après M. les Camara, hein, nous allons nous égayer un peu parce que nous avons des artistes qui sont là et qui sont pressés de se produire devant le président Popio. Merci éternellement. Euh, je commencerai d'abord à remercier le président, toute la délégation qui l'accompagne. Nous sommes très honorés de votre présence ici parmi nous. Nous vous souhaitons la bienvenue, bienvenue et toute votre délégation, président. Président, je vous présenterai aussi les frères du front. Ils sont là avec nous tous. Ils sont là, mobilisés comme un seul homme, pour venir vous dire bonjour. il y a la présence de leur président qui est là, Sidi Le PDS, le PDS est là, Réunis est là, EC est là, MC est là, Askao est là, et le MSK de Louane est là. Donc tous les frères de l'opposition, frères et sœurs de l'opposition sont là pour nous apporter leur soutien présent. Donc, nous leur disons merci. Président, vous avez toutes les associations ici en France réunies derrière vous, comme un seul homme, pour vous promettre le soutien. Je commencerai d'abord par le président de la diaspora, Amadou Sirensal, il est il est là. Président, nous disons merci à la section de Mantes qui a osé lancer le défi. Ils le méritent. Ils étaient là avant tout le monde. Ils ont osé. C'est la première section de France. Là où il n'y avait rien, c'est Mante qui était là. Il faut le rendre grâce. Moi, je le rends grâce. Dieu Président, que ce soit Mante la Jolie, Mante la Ville, Mante la Manche, Mante la qui, c'est Mante. Nous sommes à Mante. Regardez la salle, elle est pleine, on est à Mante. Maintenant, écrivez, parlez, dites-leur qu'on est en marche, on a réussi. Même si vous nous amenez à Koulikoro, Pape Diop, c'est Pape Diop, le bon biscuit, c'est le bon biscuit. Président, le pays va mal. Notre pays va très mal. Il est temps que vous vous levez, Président Pape Diop, pour dire la vérité et que les Sénégalais chassent ce que vous dites, qu'on vous suive, pour qu'en 2017, vous soyez vraiment le sauveur du Sénégal, le pays a mal, nous ne savons plus qui est qui, ça fait mal, ils le disent, ils le répètent à tout moment, donc moi je vous le dis parce que ça ne va pas. J'ai une remontée de trois points, et même ce matin ils me l'ont dit, il faut que je vous le dise. Président, l'exonération des taxes douanières sur les, sur agricoles, Président, il faut en parler. On en a besoin. Président, la renégociation de sécurité sociale de l'éducation familiale, nous en avons besoin, il faut qu'on en parle. Et enfin, Président, il faut faciliter les visas pour les Africains. Autant de mettre à le visa coûtait 15 euros et un 72 heures tu l'as. Aujourd'hui, il faut 50 euros, s'inscrire, attendre un mois pour un Africain, un Malien, un Sénégalais, un Guinéen. Ça, c'est n'importe quoi, nous ne le supporterons plus. Président, le pays va mal. C'est à vous de le sauver. Je vous remercie. Merci. Euh, évidemment, je voulais vous faire une surprise. de M. vous rek xaar ba parce que il y a des invités de marque les invités de marque qui sont des partis d'opposition. Vous avez le ici, représenté par Sidi Fall, M. Ensuite, vous avez le PDS représenté par, Maïs Touré et Massali. ils sont en route, Ils sont en de route. Vous avez le Réuni qui est représenté par Khalifa Kassama. Vous avez le UCS qui est représenté par Ibrahim Sonko. Mais il y a deux hommes que vous connaissez bien, qui sont des doyens et qui représentent des partis vraiment représentatifs du Sénégal. Il s'agit de qui Mais c'est <laughs> monsieur Wadi Vous le connaissez très bien ça veut dire tout le monde le connaît. tout le monde le connaît du PS. Il a dit que même si tout le monde laissait le PS, lui, il resterait PS. Parce que de nature, il est PS. Il est socialiste. Et maintenant, donc, euh, quand je dis M. ça, c'est parce que ceux qui sont ici dans la salle je crois que ce n'est pas moi qui devrais le présenter. Parce qu'Amadou Siretan est connu ici à Europe en tant que responsable et un grand responsable et, ce n'est pas n'importe Tout le monde sait qu'il a œuvré dans la politique, mais il a œuvré aussi pour le Sénégal, pour son pays. Et ça, c'est tout plus son, son journal. Hein et on que lui, il y a très longtemps, moi j'étais euh, à Bordeaux, lui il était là. Mais il, il, attirait tout le monde vers la politique parce qu'il dit, mais si nous ne faisons pas la politique, comment nous, allons travailler pour notre pays Ce que nous gagnons ici, là, mais, on le ramener au pays, c'est pourquoi nous sommes des citoyens sénégalais, nous n'oublions pas, même si nous sommes en Europe. Donc, euh, monsieur André euh, Séressal, humblement et il faut vous dramé il est là <laughs> euh, Didier, s'il te plaît, 5 secondes. Salam alaikum. Papa Diop, c'est nous tous et Papa Diop. que Je voulais parler aujourd'hui, Papa Diop, c'est pour tous les Sénégalais. Surtout les Sénégalais, on est là. surtout de soninke de gadanga et de soninke de futa et de soninke de paquet surtout de soninke et gandé on est là avec papdio abudiri papdio mumahay abudiri papdio mumahay kati munna kati sénégal ndomu nana ani ci bonon tere kati papdio mumahay

aux différents orateurs, nous savons qu'ici, il y a une présence extrêmement importante parce que nous savons qu'il n'y a jamais eu un grand homme sans une grande dame. Je voulais vous présenter Madame Diop Ney qui est là, l'épouse de Pape, président Bienvenue, madame, s'il vous plaît. Sénégal. Ils sont retraités maintenant, mais ils sont tellement courageux et amoureux du Sénégal qu'ils ont choisi Fabio comme leader. Maintenant, nous avons ici, il n'y a pas eu que des artistes ou des militants, mais nous avons à ce sont les marabouts de Mante la jolie Serna de mante la jolie démb te suba ji neex naa lebal mën naa fay bor am nga jot ndax ba nga amee entreprise yëpp tubaab kan la mu ñëw tuuti sa palmas bi di la kees kaay andi la sa kër njaay fa tubaab kan la nga jàng ba am say diplôme bala yàlla mënee gan li tax man la mën naa fay bor neex naa lebal firgil jëfi rek daa neex mi ngi tàkk bàyyi sa bopp sabax ko bopp tubaab kan la law la ca ku fa war dama seeti rasulilaay woon ko rasulilaay ñoom suñuy liggéey kon yow bu ñu amee ci yow yaakaar tubaab kàlla sunu yaakaar du tas tii papa jóg ko la ni la yow say milliards la doon ci réew ba fa tubaab kàlla door da ngaa liggéey milliards ba pare dug door dugg ci politique yow li nga yor yaa ko moom dafa wax ne doom ju baax yaayam daaw day sa la jël sa nga def caar ku lu jëm ndoo ndoo faan faan faatim ngay cogo ma samba yasin gis cam kodu samma ndeyi barki ta cogo maay sa xerem kajoor jam sa birago julli ngari samaam ibe degen tanoor awal ta degen tanoor dembaade a maay kille nguuni kille fatma kuma jël maram ngal gu mbor maam tib dama ne yow buñ la fallu woon sax tubaab kale yow ba nga juddoo nga doon buur ma ñëw ma ñëw tubaab kala benn al tubaab ne derrière chaque grand monsieur jaay une grande dame ndeysaan sama doom jaa ngi toog ajabtu Ndeye Marie Diallo sama docteur bi ndey Siga la ñuy woowee sa yaay wan ma ko Nabil Moustapha ajab Fatou Tine Taye la ñuy woowee sa yaay wan ma ko Nabil Moustapha ajab Toudi Sy la ñuy woowee sa yaay wan ma ko Nabil Moustapha Alaaji Maam Baro Taye la ñuy woowee sa yaay wan ma ko Nabil Moustapha waaye doom boo dee fi yaay am na sa baay alaaj jàll si la ñuy woy sa baay téeméer nit ñu yóbbu Màkka foofu maa dara tabax xale yi jàkk kees ndax li muy néew gi doole li muy jub lambaay ñaar jub lambaay fa muy jub lambaay baax bu yàlla baax bu riis baax yàlla baax daa tey ma baax mbër

d'avoir fait ce déplacement bismillah dans le fief que représente la ville de Mantes-la-Jolie. Président, c'est un honneur de vous recevoir dans ce fief qui illustre aujourd'hui la diaspora sénégalaise. J'ai envie de parler de cette diaspora, en l'occurrence de vous, ma chère patrie. Vous avez vécu en dehors de votre pays depuis de nombreuses années et sans pour autant renier ce que vous êtes, des Sénégalais à part entière. De par votre immigration, une nouvelle génération de femmes et d'hommes sont nés. On nous qualifie des enfants issus de l'immigration. Vous nous avez guidés en nous ramenant à nos origines, à l'apprentissage de nos cultures et de nos valeurs. Nous savons cette fierté aujourd'hui de dire que nous sommes des Sénégalais et nous le revendiquons pleinement. Grâce à vous, nous avons cette envie de retourner chez nous, raison pour laquelle nous souhaitons apporter notre contribution tant sur le plan économique, social et politique. Chers parents, nous ne ferons que suivre vos pas, car vous avez déjà commencé ces œuvres par la mise en place des différentes associations, des coopérations décentralisées, des transferts d'argent et j'en passe. C'est de là que se découle cette envie de nous investir dans un parti politique et de travailler aujourd'hui avec ce jeune parti que je nomme Boko Gizgis, qui a comme, qui a comme leader le président Pape Diop. Le président Pape Diop a compris que le développement de notre pays ne pouvait se faire sans nous, car le Sénégal a besoin de tous ses fils, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses terres. C'est en unissant nos forces, notre savoir, notre expertise, que nous pourrons aider notre pays à devenir un Sénégal meilleur, ou comme on a l'habitude de l'entendre, un Sénégal émergent. Certes, il fait bon vivre, mais le ras-le-bol règne, il est omniprésent. Nous en avons marre de ce chômage qui ne cesse d'accroître. Nous en avons marre de cette... Excusez-moi. La vie est tellement chère avec un pouvoir d'achat si faible. Marre de l'enseignement qui ne cesse de dégringoler. La liste est longue. Tout cela ramène à la dépendance. Cette dépendance que vous, chers parents, êtes obligés d'assumer. Il y a tellement à exploiter dans notre pays par nos agricultures et nos énergies. Nous avons donc besoin d'un nouvel élan pour le Sénégal. Et pour ce nouvel élan, nous avons choisi Boko Gizgis. Donc je dirais aujourd'hui, vive Boko Gizgis et vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Ah, merci, Madame Dia. Ah, vous avez tout dit, hein <laughs> Elle a soulevé tous les problèmes du Sénégal euh, que notre président se propose de régler. Il nous faut maintenant, nous allons chez le Elfek. Rongandi Anjalde Nder Food. Kamengadi Lama de Food, hein Elfek a dit Lama de Food. Donc, à Agne. assalamu aleykum bandiraɓe ko adi foof mi salmini président meɗen pape dior président maguilay nuyu man sama tur ak sama sante minguilay ngi lay eh, bégal teeru ci sal bi eh, bandiraɓe mi salmini on min noon kalatmi koye pulaar ene yamami waɗa hen wolof seeɗa ko jinmi tan andinde en mi haalino internet en pintini mbaroodi en pintini mbaroodi mi haalino miɗa yaha lebbi nayyi wagonnakoji wagonnakoji français ci internet yewu nañu gayde yewu nañu gayde noy apr ñugi ɓen ñele mais tawi yewu nañu mais nak bosul gayde bi yewna ñaayi Ça veut dire qu'il a lié, il a révélé l'éléphant. Et là, il voulait nous barrer la route, mais ça n'est pas possible. Vous savez, nous, ce pas la salle de poste Mantelazoli qui nous intéresse. c'est pas la salle qui intéresse le Boko Gis Les militants de Boko Gis même si vous le délocalisez à 8000 km là, à 10 000 km de Mantes-la-Jolie, ils seront. Je suis sûr et certain. Ils seront à rendez-vous. Donc, pour nous, ça nous fait chaud froid de dire qu'on ne fait pas le meeting à la jolie Et nous sommes des militants qui donnent les conditions de répondre pour tous les appels de Boko Kiskis, n'importe où. C'est pour cela que nous sommes ici. Donc, je remercie toutes les sections qui sont ici présentes mboɗo jarno section ngaji garɗiɗon i fop pamon somi suma ko suma ko compté jamayi juum il y a beaucoup de sections qui se sont présentées j'aimerais bien le présenter nom par nom mais vraiment je vais faire les erreurs je ne vais pas faire les erreurs donc de gis-gis eɗen ndendi Yende. manak yowño beaucoup gis-gis cela veut dire que vraiment le problème est tous ceux qui sont là dans ces salles, ils ont les mêmes visions. Ça veut dire que le Père des est résolu. Et ce qui reste maintenant, on va faire nos familles, nos frères qui sont au Sénégal, qu'ils voient ce que nous avons vu. Et là, Sénégal sera un pays, comme on dit, émergent. Mais pour l'instant, il n'est est pas encore. Donc, ça veut dire que ñun pas dans le Sénégal parce que nous avons des difficultés, nous difficulté des na ñu ñëw nous nous def na défis, nous nit wax président des défis, nous gis na défis, nous na gis na des gis na diaspora bu Nous waxantee ak mom mu ne ma défis, tous les immigrés du Sénégal que j'ai vu, ils ont des associations pour le développement de de leur pays ils ont des associations pour le développement du Sénégal. Ça veut dire que ces gens, ils sont déjà prêts à faire un gouvernement parce qu'ils sont en train de développer leur localité. Ces j'aimerais bien travailler avec eux. Parce qu'il suffit de les Un petit pouce et le Sénégal démarre. Et alors, qu'est-ce qui reste maintenant Qui peut me dire qu'ici, dans son village, il n'y a pas d'association ici pour développer son village Qui peut me dire ça Personne. Tout le monde est ça veut dire qu'est-ce qu'il nous reste maintenant Le gouvernement est en train de nous tromper tous les jours, tous les jours. Ils ne font rien. Et, nous, quand on a fait tout fait ce qu'il devait faire, on a fait des écoles, on a fait des forages, on a fait des jeux hôpitaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste maintenant Qu'est-ce qu'il reste que le gouvernement nous fait Rien du tout. Même le rite, il ne peut pas le faire pour qu'on passe bien. Même le voiture, on part en vacances, on ne peut pas amener le voitures. Ce n'est pas possible. Il faut que le président Biden il est prêt à relever ce défi. Il est prêt vraiment à nous soutenir dans cette commission. Je vous remercie et je vous dis, pour mon dernier mot, cette meeting, c'est l'asma. Comme vous savez, au Sénégal, on regardait le film, on mettait un petit l'asma avant. Ça, c'est lancement. Le personnes, c'est le de Paris. Par le de Paris qu'on va faire le plus grand avec mes, tous les avec toutes les sections, nous sommes prêts à le faire. Je vous dis, APR, c'est à terre. APR, c'est à terre. APR, c'est à terre. côté de Cela veut dire tout au cœur du Fouta. Donc, Daoud Son, vous avez la parole. Merci tout le monde. Monsieur le Président, l'ensemble de, votre délégation, messieurs les frères et sœurs ici présents, ah, l'ensemble des délégations qui viennent d'ailleurs, les partis ici invités, l'ensemble du mouvement libéral ici présent, je vous salue. Ah, c'est un honneur pour moi d'être là, de, me mettre devant vous, pour vous parler de ce qui s'est passé la fois dernière à Mantes-la-Jolie, parce que ça me tient à cœur. Le président, il est là, sûrement, il est au courant de ce qui se passe, et l'ensemble des militants libéraux sont là, ils sont au courant de ce que l'APR et son président sont en train de faire, même en dehors du Sénégal. Parce que pour moi, c'est une très bonne chose, c'est une publicité qu'ils ont faite à l'ensemble du mouvement libéral. Avant même, avant qu'il le passe, j'ai entendu que le Boko empêche, la présidence du Sénégal de dormir. Et j'ai eu l'illustration lorsqu'ils nous ont demandé de ne, pas faire notre meeting à mante la jolie dans le centre commercial. Parce que c'est le fief d'un ministre de la formation professionnelle donc on ne peut pas faire ça là-bas. Je, me suis dit que c'est bizarre. Comment se fait-il que le Sénégal puisse influer dans les affaires intérieures de la France on me disait que c'est la France qui influait sur les affaires politiques et intérieures de l'Afrique. Mais ce n'est pas le contraire qu'on est en train de vivre actuellement. Le, président du Conseil général de, de, nous a fait savoir qu'il a reçu un coup de fil venant de la présidence du Sénégal pour lui dire que beaucoup Gis ne tiennent pas la réunion, euh, le meeting à Mantes-la-Jolie. Euh, donc, puisque c'est son ami, donc il va faire tout pour que le meeting ne puisse pas avoir lieu à Mantes-la-Jolie. Bon, je me suis dit, la crainte, parce qu'aujourd'hui tout le monde est content, vu, le remplissage de cette salle, vu la mobilisation des militants. Donc nous sommes contents, mais moi j'ai une crainte. La crainte, elle est quoi Un président qui peut faire une pression en dehors même des frontières du Sénégal ça veut dire que le jour des élections, il n'hésitera pas à faire la pression sur les juges. Donc, c'est ça. Donc, moi, ma crainte, c'est de revoir cette manière de gérer le Sénégal par le président Macky Sall. Et je vous remercie. Ah, c'est toujours euh, les hommes de mairie. On en va mairie. d'utilisation et besoin de massification. Ah, vous avez massifié, hein, parce que la salle est pleine. Ah, assalamu alaikum Bandirame, mi salmini oɗon fof euh, mbokk mbokk yi nuyu naa leen yéen ñëpp kontaan ci au niveau de Mantes la ville avant de commencer, je voudrais quand même remercier Monsieur le Président qui est parmi nous aujourd'hui. Et si c'était un Paris, on peut dire qu'on a réussi un pari. Que ce soit une délocalisation à mantes la à mantes la à Limé, à Rony, comme nous proposait le président du conseil départemental, nous, on peut réveiller aujourd'hui qu'on a reçu le, le pari de la mobilisation. Donc, encore une fois, Merci à nos frères du parti, à nos invités. Bref, merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui parmi nous. La bataille, elle n'est pas finie. Parce que Macky Sall, comme disait mon frère Demba tout à l'heure, APR sera par terre. Désormais, nous venons de, démontrer que le fief de l'APR, ce n'est plus Masla le fief de la PR, ça sera peut-être ailleurs, mais pas à Mantes-la-Jolie. Nous venons de prouver le contraire. Aujourd'hui, le fief, le votre de votre c'est à Mantes-la-Jolie, comme parmi d'autres communes ici en France. Moi, c'est dommage que je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais développer dans un domaine très particulier qui me tient à cœur, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation et de la formation. Parce qu'à mon avis, il y a des manquements très énormes au niveau de l'éducation et de la formation. Suivez mon regard. Ceux qui nous interdisent aujourd'hui de tenir notre meeting avant de la jolie c'est eux qui gèrent la ministre, paradoxalement, le ministère de la Formation au Sénégal. Ils n'ont du fait de leur ministère, ce qui n'a pas été fait, et nous le dénonçons. Monsieur le Président, j'aimerais bien que quand vous arrivez au pouvoir, et j'en suis sûr, nous y croyons et vous, allez venir au pouvoir et vous allez résoudre le problème de l'éducation et de la formation parce que c'est important pour l'avenir de notre pays. Je serai bref, mais je sais, mais je, je tiens quand même à finir. La formation de notre jeunesse, elle est l'avenir de notre pays. Parce qu'une jeunesse sans formation, elle est vouée à l'échec. Si les jeunes demandent de l'emploi, et qu'ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas diplômés et formés, ils ne peuvent pas trouver du travail, il faut être sérieux. Dans ce domaine, Monsieur le Président, j'espère que le programme que vous avez déroulé, il y aura une place importante pour la formation et l'éducation de notre jeunesse, parce que c'est le futur de notre pays. Encore une fois, je remercie tous nos frères et amis de, euh, des de, libéraux, je veux parler de, du PDS, de Naomi et ainsi de suite. Encore une fois, merci, merci, merci. Euh, Johnny Ellen Baye nous avons Yafai Sané. Là. Sané. Ah, yafai Sané, il est de la commission des sages. Vous savez que. Bon, oui, Bonne yi de ne mag mag mag batoje debɓi aynen Non, non, wonko mawɗo jooɗo to yiya so toon le darima yiyata il est de la commission des sages donc ce sont deux qui nous conseillent monsieur Salam alaikum. Et je veux parler en manais, je veux parler en olof, je veux parler en français. Je veux saluer le président sénégalais qui est Pape Diop. Pourquoi moi personnellement je suis Pape Diop Parce que Maroul, Sohoul, ñaari tur ba ndax Macky Sall boo ko dee jaxaras Pape Diop dama lay ñaan nga dimbale nga jox dimbale Sénégalais yi sinon Sénégal Sénégalais yëpp ci am na yow lay yaakaar tamit Sénégal il faut ñu débu ñu jàppalante waa PDS le bureau fédéral et maintenant, avant d'attaquer les responsables de sexe nous allons appeler un des artistes là s'il est prêt. Il s'agit de monsieur Gobicham. Gobicham, si vous êtes prêt. dans la longue marche d'un parti, dans la construction d'un parti politique, il y a des moments importants, très importants, des moments à marquer d'une pierre blanche et l'organisation des meetings en fait partie. Ces meetings qui doit marquer tous les militants de Mantes-la-Jolie parce qu'il y a eu beaucoup d'embûches, trop même, trop d'embûches, et on n'a pas pu le faire là où c'était prévu, mais avoir ce beau parterre, sincèrement, je félicite toutes les sœurs, tous les frères qui ont participé à la réussite de cet événement du moment que le temps est limité, euh, j'aimerais dire au président Papio que la section de Mantua Jolie, qui a eu 3-4 euh, mois depuis qu'on a fait son baptême, mais qui regroupe beaucoup de, beaucoup de militants, c'est peux vous dire qu'on est tous derrière vous. Et notre mot d'ordre qu'on veut transmettre aussi à l'ensemble des sections qui sont ici, c'est la massification. Massifier, continuer de massifier, parce qu'on est un jeune parti. Les échéances de 2017 ne sont pas si loin. Si le président ne fait pas faux bon pour le ramener en 2019, il faut continuer à massifier. Et je remercie le monde. Allez, bonne soirée et bonne fête. Euh, vous avez la parole. n'est pas Fabio nous l'a montré à maintes reprises en créant son parti, en créant son mouvement. Et on est fiers d'en faire partie. Le mouvement Beaucoup Guise Le choix de Fabio, oui, nous sommes tous derrière Fabio. Un homme simple, un homme qui dégage quelque chose. Quand on voit la personnalité qu'il a, quand il nous parle, on sait que c'est un homme et c'est un homme qui peut gouverner le Sénégal. c'est le renouveau. Pape c'est ce qu'on attend. Et c'est ce qu'on attend et c'est ce qui va se faire en 2017. J'ai pas besoin de parler des autres. Parce que les autres, c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est ce qu'on a maintenant. au niveau de l'éducation, au niveau du social, au niveau de l'agriculture, au niveau de diverses choses. Me concernant, je suis une fille issue de l'immigration. Je suis née en France et j'ai grandi en France. Mais ça n'empêche pas que j'ai été conseillère municipale dans ma vie. Mais ça n'empêche pas que quand un parti sénégalais tel que le parti de beaucoup qui se remercie. Vous l'avez dit, M. Biketa. Elle est conseillère municipale en France, mais vient <laughs> de sa double nationalité, elle est membre de votre parti. Maintenant, nous avons Idiba Sarr. Euh, monsieur le Président, chers camarades Papillot, Madame, Monsieur les élus, honorables invités, chers camarades de Gisgis, Permettez-moi, dès l'entame de mon propos, de vous remercier de l'honneur que vous me faites de m'accorder la parole. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour souhaiter la bienvenue à M. le Président Papillon. Et aussi pour vous dire les raisons pour lesquelles ils m'ont poussé à être là aujourd'hui. Les raisons qui m'ont poussé à retrousser les manches pour travailler aux côtés du président Papillon Demain, en premier temps, notre président est un homme qui s'est fait tout seul et qui n'a pas et, qui n'a d'ambition que celle de faire profiter au digne peuple sénégalais de son expérience, si riche aussi en politique, aussi de la bonne gouvernance. La deuxième raison que je suis sénégalais, originaire de Fouta, comme vous le savez tous, Excusez-moi. Euh, je, suis, originaire du Fouta, une région oubliée par ses fils qui ont eu à de hautes fonctions. Il paraît même que l'actuel président serait originaire de mon village, Nous en savons Et pourtant, c'est un désert sur tous les plans. Tout le manque, particulièrement les infrastructures sanitaires. Et comme nous le savons tous, la santé, c'est la mère de, la, de toute richesse la base de tout développement, c'est laquelle qui me tient à cœur. Nos femmes continuent de mourir en nombre en donnant la vie pendant qu'on nous parle d'une série inexistante. Nos enfants et nos parents n'ont pas d'accès à l'eau potable pendant qu'on nous sente une PSE que je définis comme une parcelle d'un Sénégal émergent. Mon engagement, mon, engagement au côté du président Bokikis, ne cesse d'accroître du jour en jour car je suis convaincu au lendemain des prochaines élections présidentielles prévues en 2017, tous ces injustices seront corrigés. Permettez-moi de dire une mention spéciale à l'endroit des femmes et des hommes de l'essor, ces soldats qui sont là depuis le début avec moi. On a validé notre section depuis 4 mois et ils sont derrière moi. Matin, midi, soir, je parle de Massipalezo, les Illis et Aujourd'hui, c'est tout le monde derrière le boulot. Une mention spéciale aux Ilis. Je parle de Bouba, Boubacar Dan, Boubacar Tamba, ainsi que tous les gens qui m'ont accompagné. Je vous remercie si j'ai trop la parole. Jainaba Dem. Coordinateur national Thank you. Et c'est M. Patrick Camus qui va parler à leur Il est coordonnateur de Manteau-la-Jolie. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, euh, chers invités. Et toutes la, cette, les sections qui sont là. vous avez créé ce parti Bok Discus. Bok gis qui veut dire que nous avons la même idée, les mêmes pensées et nous voulons travailler ensemble. Donc nous, les, les, de mante la de Dépôt, des niveaux de toute le de, 78, nous sommes derrière vous. Nous voulons maintenant massifier plus le parti que euh, en 2017, que ça ne soit pas une victoire minimum, mais une victoire éclatante. Parce que nous, les mangeants, quand on dit qu'on fait ça, M. Samet, qui est à, euh, notre côté aussi pour la massification du parti. Donc nous, les, les, de Marc la jolie nous remercions de votre aimable attention. avez vu croire en papillon. Vous dire que ce que tout à l'heure son frère vient de dire, il veut le confirmer. Il veut confirmer qu'ils sont engagés maintenant pour Cela m'a alaikum. ko moo jóg ci ko kon jaaraama pied. Donc tout cela, c'est dû à nos gouvernants. Donc ceux qui sont là, donc ils ont, ils échoué. Donc ça fait des années. Donc ils sont là euh, depuis plus de quatre ans, ils parlent. On n'a rien vu. Donc, Monsieur le Président, donc c'était ça, moi, mon de devenu. Donc, je ne vais, je vais pas terminer sans demander aussi de faire une mention spéciale au président ou au coordonnateur, monsieur Ibrahim Macham, qui est là. Donc ça fait plus de six mois qu'on est en train de travailler ensemble. Donc il a fait, il a délaissé sa famille. Donc on ne peut pas dire qu'il a eu des difficultés, peut-être même là au travail à cause de mon business. Donc c'est pour montrer donc, que ce président-là, c'est le coordonnateur-là, il a fait son travail. Donc je vous remercie. ko heewi enen jinno haalde ko heewi kono tawa woni ko kay mboɗo waɗa précisé tan geɗel gotel ko wiide oɗo monsieur pape diop mo gonde nden mbanno waktu futi wolof ndax duñu may goɗ bariwul euh, pape diop min ñu euh, àndal ku jarandal ñun am na fi ñu nekkoon ñun ñoo fondé APR au boulot ñun ñoo ko fondé woon bi biñ ko gisee ñu ànd ak moom vraiment ay dossier rek lañ ci gis moo tax ñu génn bopp ji dem ci Pape Diop ñu ñu yaakaar danañu yóbbul Sénégal fu ñu bëgg loolu nit ñi wax lu ci gën mooy euh, dëkk yi yëpp Europe bi yëpp ñu jéem a nekk ci ginnaaw Pape ñu xam moom xam na fu ñu yóbbu Vous nous fu ñuy yóbbu monsieur Pape vive le président vive le président Pape merci всегда. pas chanter. Donc nous allons donner à notre sœur pour deux minutes. fois. président et les retrouvailles de la grande famille libérale et sur la route. Seulement c'est le retrouvailles qui peuvent faire changer ce pays. Si on veut mettre fin à une gestion familiale du pays, si on veut mettre fin à une éducation au rabais, si on veut mettre fin à une justice à double vitesse, il faut se retrouver de cette grande famille président Pabio, d'être l'artisan de ce retour Parce que les Sénégalais n'attendent que ça. Ils ont regretté pourquoi ils ont fait partir le président Wadi. Vous tous, autant que vous êtes, vous êtes des fils du président Abdelwadi. Et Wadi est prêt à vous accompagner, à vous encadrer, à retourner ce pouvoir-là pour soulager la souffrance du peuple sénégalais. Merci, merci. Maintenant, on va passer à Réumi. Réumi est représenté aujourd'hui par Kassama. Bon, soyons brefs, M. Brass. Je sais que le temps est précis, mais bon. Avant mon discours, je tiens à remercier M. Kam Ibrahimo de votre invitation et souhaiter la bienvenue à Monsieur le Président Fabio de Gisgis, sans oublier notre frère Thior. Permettez-moi de m'accorder juste trois minutes. Avant de venir, j'ai passé un appel à Idriss Sassé qui m'a dit la même chose que Wad a dit pour l'accompagnement au niveau des libéraux. Je tiens à dire une chose. C'est pour moi un grand, une grande plaisir que de m'adresser à vous ce soir, Monsieur le Président Bob Gisgis, Je suis convaincu que grâce à l'esprit d'ouverture et de compétence dont vous disposez, votre parti fera preuve dans la discussion pour résoudre les problèmes communs dans l'intérêt de la nation. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer nos remerciements à Monsieur le Président, surtout de votre sagesse, de votre esprit d'ouverture et de votre courage. Je tiens, à le, je tiens à répéter combien mon leader Idrissa Seck vous apprécie et apprécie les actes que vous posez, posez au sein de l'échiquier politique sénégalais. Il faut un fondement d'honnêteté politique la politique, on l'a dans la peau ou pas. La politique, c'est un choix de vie difficile, mais surtout une passion. C'est l'art de mener des gens pour la gestion de la cité. J'ai la chance de penser, avec utopie diront certains, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il reste une marge de manœuvre pour celles et ceux qui remuent de subir. Je tiens à vous dire, Monsieur le Président, qu'un jour, nous allons vous retrouver au palais, ensemble pour gouverner le Sénégal. Merci chez M. Amadou vous le connaissez tous, il a été député des Sénégalais de l'extérieur, il a représenté la France et il a occupé de très hautes fonctions dans le pays. Merci, va. Maintenant, votre parti, il paraît que c'est le mouvement de la diaspora. Papa Khalid, Papa Khalid, viens à moi On l'envoie sur la halle, il faut du jugé, il faut du jugé. Bonjour, rabtore e dow mon jowuru giɗimen e dow mon joom hordeñere e dow mon joom jangñoore satigue e dow mon joom sincugorde e dow mon kandawyo sama comba on jarama on jarama ko tao ko tao samba sega jarama bandiraɓe onon fof on calminama e dow inde mon e jettode mon kala excellence monsieur le président Babio, monsieur le coordinateur de Bokk kisgis militantes et militants de Bokk Monsieur les responsables des partis politiques, mes chers compatriotes en vos noms et qualité, à ma qualité du président des Sénégalais de la diaspora, je prends la parole devant cette forte mobilisation pour remercier du fond du cœur la direction de Boko de nous avoir invités à cette manifestation. Je suis accompagné d'une forte délégation composée de M. Seyni Dafaka, vice-président, de Madame Fama vice-présidente chargée des femmes, de Khalidou Sek, euh, secrétaire à l'organisation. Mes chers compatriotes, permettez-moi de faire un témoignage sur le président Babdio, avec qui j'ai milité au PDS pendant de nombreuses années. Durant mes deux mandats de député, j'ai connu quatre présidents de l'Assemblée nationale. Celui qui m'a marqué le plus, c'est le président Pabdio. Par ses qualités humaines, son esprit républicain, son sens élevé de l'État et le respect de la parole donnée. Souvent, on a dit que les hommes politiques ne respectent pas leurs engagements, mais ce n'est pas le cas de Pabdio la présidence du président Badjo, j'ai pu aller à la rencontre de la diaspora sénégalaise, où qu'elle se trouve dans le monde, pour m'enquérir de leurs préoccupations. C'est avec l'appui du président Badjo aussi que j'ai pu introduire une modification de la loi électorale permettant aux Sénégalais d'être cooptés dans les conseils ruraux, municipaux et régionaux. Aujourd'hui, cette même loi a permis aux Sénégalais de l'extérieur d'être des conseillers municipaux et des conseillers départementaux. Le président Pape Diop m'a toujours soutenu dans mon combat de tous les jours pour le bien-être des Sénégalais de l'extérieur. Mes chers compatriotes, j'ai simplement voulu dire que le président Pape Diop soutient la diaspora sénégalaise. Monsieur le Président, l'année 2015 a été très dure pour la communauté sénégalaise à l'étranger. Il y a eu beaucoup de morts, le plus souvent par des bavures policières. Il y a eu trop d'enfants d'immigrés sénégalais dans les prisons françaises. Il y a également le problème des retraités et la situation fiscale des immigrés dans les foyers. Le coût du transfert d'argent et la communication téléphonique devient de plus en plus élevé. Le Sénégal a besoin de nos cadres formés à l'étranger et le, Sénégal a besoin également des enfants issus de l'immigration. La concrétisation de la diaspora comme 15e région. Monsieur le Président, votre parti aspire à gouverner le Sénégal

assalamu aleykum bandiraɓe onon gonɓe salɗe ko de fof eh, kono salmina bandiraɓe de la salmina bandiraɓe bono salmina la fédération bokke guisde en france monsieur le président monsieur le représentant des partis politiques euh, les représentants des partis politiques et des associations et les chefs religieux, les militants et les militantes de beaucoup Business en France. Je profite de l'occasion pour remercier ceux qui vous avez, surtout les organisateurs de cette rencontre. C'est-à-dire, je remercie les journalistes qui sont présent. Et je remercie aussi tous euh, les membres de la fédération et je remercie aussi tous nos parents de la diaspora. Je ne peux pas aller trop loin, Et j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vous remercie. Il nous reste deux personnes. Un, ami, euh, euh, politique, il ami politique, Ibrahim Sonko, le représentant de l'UCS. Ah, Sonko, On, va lui donner la parole. Mais Sawali. Sawali est un représentant du PS qui est indigné de ce qui s'est passé, par la, qui s'est passé dans la ville et qui a honoré par sa présence en venant nous rendre visite. Nous vous remercions. Malheureusement, vous faites partie de la majorité présidentielle. C'est l'opposition qui aujourd'hui fait, c'est la famille libérale. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci en tout cas et, bonne journée. Merci. sukaɓe min calmini on ɓurɓe won e jettoɗo mon eh, kalami koye ɗengal créenaɓe foof e eh, représentant parti bokko siskis ko cré min mbawi miji komin jiiɗon e sane ko hokkimi cuusal eh, monsieur pappa dum min caggal ma e ganda woto jogo kulol le président de la République to inchallah ko toon pewɗa ɗumeji allah yo allah yeɗiɗum dow moƴƴere président de votre district, le frère Pop Diop monsieur les représentants de Bokk Gis France mesdames les représentants de beaucoup qui se dispensent. जगत महा pays, le Sénégal. Eh, eh, euh, je voudrais, avant de commencer mon propos, remercier tous les frères représentants des partis ici présents. J'ai nommé le PDS, le Réumi, le MSU et l'UCS avec qui aujourd'hui nous partageons l'opposition. Je remercie également mon frère Amadou Siressal, représentant le mouvement de la diaspora sénégalaise, avec qui nous avons beaucoup travaillé au niveau de l'Assemblée en direction de cette même diaspora. Permettez-moi de vous dire que la finalité de la politique, c'est de rendre le citoyen plus heureux, mais également moralement meilleur. Cela doit être la préoccupation de tout homme politique, en tout cas de tout homme politique sérieux qui veut travailler en direction de son pays. Aujourd'hui, notre pays se trouve dans une situation qui mérite d'être analysée sérieusement. Si nous prenons les différents secteurs, qu'ils soient de l'éducation, euh, qu'ils soient de l'artisanat, qu'ils soient du tourisme, qu'il soit des autres secteurs, notamment l'agriculture, qui doit être le centre de tout développement d'un pays, nous pouvons dire que le régime actuel a déjà échoué. Macky et son régime ont déjà échoué. Je prendrai tout simplement le secteur le plus important qui est l'agriculture et pour lequel le président Macky n'a aucune vision. C'est un secteur qui, depuis l'indépendance, a, a traversé beaucoup de difficultés. Parce que tout simplement, le produit que nous faisons, c'est-à-dire l'arachide, a été introduit par le colonisateur pour les besoins de la transformation de ces industries. Et depuis, les régimes qui se sont succédés n'ont pas réellement travaillé pour la diversification de celles ci pour que notre pays soit à l'abri des problèmes liés à l'alimentation. Nous avons, depuis un an, entendu le président Macky Sall mettre en place un programme pour l'autosuffisance en riz. Mais nous, au Bok Gis nous disons un programme d'autosuffisance tout court parce que le Sénégalais ne se nourrit pas seulement de riz. Un pays a besoin de diversifier son agriculture mais pour cela, il faut une vision. Une vision basée sur la maîtrise de l'eau. Une agriculture qui soit basée sur d'abord la maîtrise de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les ressources humaines, nous avons les terres et nous avons l'eau. Nous devons par conséquent pouvoir mettre en place une vision et un programme capable de mettre à l'abri le Sénégal des difficultés liées à l'alimentation, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Euh, le moment venu, nous allons faire nos propositions. Mais je peux annoncer ici et maintenant que pour ce qui concerne la diaspora sénégalaise à l'extérieur, voulant mettre en place des projets au niveau de l'agriculture, que cela pourront bénéficier d'une défiscalisation de tout le matériel agricole. Parce que le matériel agricole n'est destiné qu'à l'agriculture. Et par conséquent, nous devons pouvoir mettre en place un programme non seulement qui aide la diaspora sénégalaise, qui a acquis beaucoup de connaissances dans l'agriculture, dans les pays comme l'Espagne et l'Italie, qui pourrait mettre en place leurs connaissances, qui pourraient mettre ces connaissances à la disposition des autres Sénégalais pour que une révolution soit au niveau de l'agriculture et cela pourrait nous permettre d'être définitivement à, l'abri de beaucoup de problèmes. Donc, euh, euh, l'agriculture est un secteur important, plus qu'important. Mais si je dis l'agriculture, c'est au sens large du mot, c'est-à-dire l'agriculture qu'il y a également l'élevage et la pêche. Parce que pour ce qui concerne la viande et le lait et les produits laitiers, notre pays dépense près de 100 milliards de francs CFA pour importer ces productions-là. Je pense qu'à ce niveau également, nous devons beaucoup travailler pour que le Sénégal soit autosuffisant. Mais en direction de la diaspora, il y a beaucoup de problèmes vous concernant. Nous sommes de ceux qui pensent que nous ne pouvons plus mettre en place des programmes et des politiques sans tenir compte des Sénégalais de l'extérieur, sans tenir compte également de leur association à l'élaboration de ces politiques et de ces programmes. C'est pourquoi nous avons l'intention de mettre en place une banque sénégalaise de la diaspora où tout ce qui le désirent pourrait être actionnaires, mais où l'État du Sénégal va mettre un fonds qui serait destiné au projet des Sénégalais de cette même diaspora. Je crois que nous avons dépassé l'ère des aides au retour au pays. Nous devons mettre en place des programmes suffisamment capables de financer un programme et un projet de Sénégalais de l'extérieur, même à hauteur de 100 millions de francs CFA. C'est cela qui va développer notre pays parce que les Sénégalais de l'extérieur, de tous bords, certains ont acquis de grandes connaissances dans des domaines divers. Et cela pourrait être porteur de grands projets, mais des projets qui ne peuvent pas être financés par 5 ou 10 millions. D'où l'importance de cette banque, mais et du fonds qui sera mis à la disposition de cette banque, où le conseil d'administration ne sera composé que des Sénégalais de l'extérieur. Parce que c'est important. Et même au niveau de cette banque, au cas où des Sénégalais en feraient la demande et seraient au niveau, à un niveau de pouvoir diriger cette banque, nous serons prêts à laisser cette banque aux Sénégalais de l'extérieur. Euh, il y a également beaucoup d'autres sujets liés aux véhicules. Je crois que nous devons engager une réflexion. Nous ne devons pas ici venir vous dire que demain, nous allons autoriser l'importation des véhicules de tous âges. Nous ne voulons pas aussi que notre pays soit la poubelle de l'Europe. Mais cela ne, doit pas nous empêcher également de pouvoir réfléchir et de trouver une formule qui va quand même pouvoir être avantageuse pour nos compatriotes de l'extérieur. Parce que ce que nous recherchons, c'est le bien-être. Donc nous pouvons rallonger l'âge et même permettre aux Sénégalais de l'extérieur qui seraient propriétaires d'un véhicule au moins de 3 ans, quel que soit l'âge, de pouvoir l'amener au Sénégal. Mais il faut que ce Sénégalais nous apporte la preuve que ce véhicule lui appartenait depuis plus de trois ans, de plus de trois ans. Maintenant, pour les Sénégalais qui rentrent définitivement, je crois que même pour cela, nous devons leur offrir la possibilité d'amener un véhicule défiscalisé, de pouvoir amener un véhicule sans payer la douane. Pour ceux qui rentrent, je dis, bien pour ceux qui rentrent définitivement. Pour ceux qui rentrent définitivement. Il faut que cela soit clair. Je ne viens pas aussi ici pour vous faire des promesses demain qu'on ne pourra pas tenir. Ça ne sera pas sérieux. Je sais que les véhicules tiennent à cœur les Sénégalais. Mais aussi, il faut préserver notre pays. Parce qu'il y a sur place des concessionnaires qui emploient des Sénégalais. Il y a une tentative euh, de, de, de, montage, de, montage, d'installation, de montage. Et tout cela aussi, nous devons le protéger. Nous devons le protéger. Euh, en direction euh, donc, s'il euh, y a également peut-être la renégociation de la convention concernant euh, les retraites, mais également concernant la sécurité sociale pour les Sénégalais de l'extérieur. Pour ceux qui sont en Italie, par contre, il y a beaucoup de difficultés à ce sujet. Je crois que tout ça, notre parti le prendra en charge et rediscutera avec les États dans lesquels il y a une concentration de nos compatriotes. Cela est possible. On m'en parlait par exemple des avantages que détiennent les Maliens ici, euh, des avantages liés à la sécurité sociale, plus importante en tout cas euh, pour les Maliens que pour les Sénégalais. Donc les allocations euh, familiales. Euh, pour, euh, en direction de l'opposition sénégalaise, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients que pour bouter Macky hors du pouvoir, notre salut ne réside que dans notre unité. Nous devons cultiver cette unité et même quelquefois nous oublier pour atteindre cet objectif-là. Parce que le moment venu, nous sommes aujourd'hui en train de discuter dans l'opposition. Il y a le PDS, il y a nous, il y a le Réumi, il y a l'UCS, il y a euh, euh, le pacte de Cher hein, le FSDBJ, mais également il y a Andy de deux Et nous nous voyons régulièrement pour discuter le MSU également, qui est dans le front. Euh, c'est pourquoi d'ailleurs la présence de tout ceci aujourd'hui à ce meeting. Et je demande aux membres de Bok de tout faire pour ne jamais rater une occasion pareille organisée par un parti membre de l'opposition. Donc, je voudrais vous dire que le programme que nous avons euh, dans tous les domaines, parce qu'aujourd'hui, euh, en ce qui concerne l'éducation, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Et la bataille de demain, la bataille de demain ne peut être gagnée que par les connaissances. Et notre pays aujourd'hui est en train de rater le virage. Maître Ward avait bien compris cela en donnant une bourse, en tout cas, ou une allocation à tous les étudiants du Sénégal. C'était pour préparer la jeunesse en direction de l'avenir parce que la bataille de demain, ce sera une bataille de connaissances. Si nous n'investissons pas dans les connaissances, nous serons encore beaucoup plus en retard demain. Mais cela, Macky Sall et son régime ne l'ont pas compris. C'est pourquoi il a, dès son accession à la magistrature suprême, il a diminué toutes les bourses et il en a euh, donné moins que Maître Watt. C'est pourquoi il y a tous ces problèmes aujourd'hui à l'université. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des situations au Sénégal que nous n'avons jamais connues. Dans tous les domaines, vous avez vu aujourd'hui le tourisme sénégalais est à terre parce que le président Macky Sall manque de vision dans ce domaine-là. C'est pourquoi il a, dès son accession, introduit le visa d'entrée, ce qui a plombé complètement ce secteur. Quelqu'un a évoqué ici également euh, la cherté des billets d'avion. Et cela, je crois que c'est lié aux taxes que le Sénégal a instituées au niveau de l'aéroport de Dakar. Donc c'est quelque chose qui est possible de baisser parce que c'est le Sénégal qui a, qui a fait augmenter tous les billets d'avion. C'est pourquoi aujourd'hui les billets sont excessivement chers. Si vous voyez que pour quitter ici et aller aux États-Unis, coûte largement moins cher que pour aller à Dakar ou ailleurs. Je crois que ça également, il faut que les pays africains tapent sur la table parce que Air France est en train de tuer les Africains et Air France a tout mis en œuvre pour que toutes les compagnies, en tout cas africaines sérieuses, disparaissent. disparaissent. Donc, cela également est un problème. Et aujourd'hui, nous devons euh, dans la sous-région africaine, au niveau de l'UOMA en tout cas, au, au, niveau de la CDAO, essayer de créer une compagnie internationale capable de rivaliser avec Air France pour ramener celle-ci à pouvoir diminuer considérablement les billets d'avion en direction de l'Europe. Cela aussi est un problème euh, souvent décrié par, euh, par vous, les Sénégalais de l'extérieur. Mais en tout cas, je voudrais réitérer mon propos concernant l'association des Sénégalais au programme et au projet de société que nous voulons mettre en œuvre parce que nous ne pouvons plus au Sénégal comprendre que la diaspora est mise à l'écart et que le seul problème auquel nous vous sollicitons, c'est pour des rassemblements pour appuyer un parti politique. Je pense que nous devons dépasser cela et vous considérer dans les problèmes de développement, vous mettre au cœur des discussions pour les programmes de développement, pour que vous preniez complètement à part également dans les différentes politiques qui seront mises en œuvre au Sénégal. Nous, nous ne sommes pas plus intéressés que vous pour le développement de notre pays. Je pense que la plupart d'entre vous souhaitent un jour rentrer au pays. Mais pour que cela soit possible, il, faut que toutes les conditions soient créées et soient mises en œuvre pour que ce retour ne soit pas raté. Parce que je ne vous conseillerais jamais de quitter ici pour venir traîner au Sénégal également. Cela n'est pas souhaitable je sais qu'il y a des Sénégalais aujourd'hui qui souhaitent rentrer au pays. J'ai rencontré quelqu'un en Italie qui est venu me voir à mon hôtel pour me dire qu'il a travaillé 25 ans dans le Maroc. Et il sait qu'à Kédougou, il y a du Maroc. Et il souhaite rentrer dans notre pays, mais si les conditions ne sont pas rentrées, cette personne-là ne rentrera jamais. J'ai rencontré un ingénieur, euh, euh, comment dirais je agronome également, qui me dit qu'il a travaillé là-bas et qu'il a des projets. Mais au niveau du gouvernement sénégalais, les conditions ne sont pas en place pour qu'il puisse rentrer parce que son projet demande un financement un peu quand même élevé. Mais tout cela peut être réglé. Si le Sénégal prend les mesures de mettre résolument des ressources importantes dans ce fonds-là, Il va être euh, administré par une banque appartenant entièrement à la diaspora. Je crois que ce jour-là, les Sénégalais porteurs de projets sérieux pourraient rentrer au pays et pourraient même faire bénéficier de leur expérience à nos compatriotes. Je donne toujours l'exemple parce que nous voulons dans les 547 collectivités locales du Sénégal. Nous voulons créer euh, des fermes euh, qui vont appartenir à ces mêmes collectivités-là. Nous voulons dans chaque collectivité au moins financer des fermes à hauteur de 1000 hectares, mais réparties dans les différentes zones qui composent la commune. mais je parle des communes rurales. Et ces fermes seraient le laboratoire qui va permettre à nos paysans d'apprendre les nouvelles techniques culturelles qui leur permettront de pouvoir s'adonner à leur agriculture à partir des méthodes modernes connues à travers le monde, telles que le bout à ou bien la méthode aspersion, ou bien pour ceux qui ont le moyen des pivots, pour que l'agriculture se pratique 12 mois sur 12 dans notre pays. Parce que je vous le disais tantôt, nous avons notre pays euh, qui est traversé dans beaucoup de ses parties par des cours d'eau importants mais également, le plus important aujourd'hui est prouvé, c'est que le sous-sol du sénégalais comporte beaucoup d'eau qui pourrait nous permettre de faire une agriculture pendant 12 mois et de diversifier celle-ci pour nous permettre de pouvoir être autosuffisants non seulement en riz, mais en tout et de pouvoir exporter partout. Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit que notre pays importe du blé à partir de Burkina, du Burkina Faso, vous n'en reviendrez pas. Et c'est pourtant le cas. Notre pays était prêt tout dernièrement à importer de la pomme de terre de la Guinée-Conakry. Tout ça, si on vous le dit, ah, ça vous surprend. Ça vous surprend. Alors que nous avons tout par, rapport au, Burkina Faso, en ce qui concerne en tout cas l'agriculture, nous avons beaucoup plus de potentialité que ce pays-là. Nous avons les hommes également, nous avons tout. Donc voilà en quelques mots ce que je voudrais dire et demander également à Maïs Touré de transmettre mes amitiés à Maître Ward à euh, euh, Gassama. de euh, transmettre également mes amitiés à mon frère, mon ami et frère Idriss Sek, à Abdoulaye Baldé également, son co, remercier Amadou Siressal, qui fut un collègue qui, à chaque fois à l'Assemblée, je le disais, à l'occasion, avait toujours défendu les Sénégalais de l'extérieur. Monsieur le Président vous êtes reçu aujourd'hui à la Fédération. Beaucoup de se passe à max On a vu l'accueil, tout les témoins, Quel est votre premier sentiment par rapport à cette chaleureuse Oui, euh, je vous remercie. Mon sentiment, euh, mes sentiments sont euh, des sentiments de satisfaction, de fierté également, parce que nous avions euh, au début euh, quelques difficultés d'implanter le parti, mais aujourd'hui tout le monde convient avec moi que ce parti-là est devenu une grande réalité en France. Il va compter parmi les premiers partis de France et c'est pourquoi je voudrais... Euh, m'en réjouir, également remercier tous ceux qui ont travaillé pour que ce parti-là soit à ce niveau aujourd'hui. Monsieur le, Président, vous avez fait des annonces euh, à, l'endroit des Sénégalais de l'extérieur. Vous voulez défiscaliser les produits agricoles et créer une banque pour les Sénégalais de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez développer ces deux idées Effectivement, j'ai dit euh, tantôt la direction de, en direction de l'agriculture que euh, le matériel euh, agricole euh, qui serait amené par un Sénégalais de la diaspora va être défiscalisé pour nous permettre de développer ce secteur qui est important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de Sénégalais, beaucoup de compatriotes qui ont travaillé dans ce secteur et qui comptent un jour rentrer au pays et s'adonner à ce métier-là je crois que cela pourrait même créer une révolution au Sénégal si les connaissances acquises par nos compatriotes à l'extérieur dans les divers domaines sont, euh, sont mises à contribution dans notre pays. Et donc l'agriculture occupe dans les secteurs une part importante. C'est pourquoi nous comptons défiscaliser tout le matériel agricole appartenant à un Sénégalais de l'extérieur euh, pour le Sénégal. Et la pertinence de la création d'une banque pour les Sénégalais de l'extérieur J'ai dit également dans les projets que nous avons l'intention de créer une banque, la Banque sénégalaise de la diaspora, euh, qui sera une banque qui appartiendra aux Sénégalais de l'extérieur qui en seront les actionnaires, les principaux actionnaires, mais et que dans cette banque, le Sénégal, notre pays, va prévoir un fonds, un qui sera alloué à cette banque, qui sera en même temps géré par cette banque euh, pour pouvoir euh, financer les grands projets euh, des Sénégalais de l'extérieur. Parce que je pense que beaucoup d'entre eux détiennent des projets, mais souvent c'est le financement qui fait défaut. Euh, c'est pourquoi je dédie cette banque aux Sénégalais de l'extérieur, euh, couplée maintenant à un fonds euh, qui sera alimenté sur le budget national annuellement, mais où les pays également, où il y a une forte concentration de Sénégalais, ces pays amis-là vont également apporter leur contribution pour nous permettre d'avoir suffisamment de ressources capables de financer beaucoup de projets, beaucoup de projets importants. Je ne dis pas des projets de 10 millions ou 5 millions, mais des projets importants, capables de créer et beaucoup d'emplois, mais capable également de créer des richesses pour notre pays. Vous semblez être convaincu, Monsieur le Président, que les élections présidentielles n'auront pas lieu en 2017, contrairement, euh, à la promesse tenue euh, par il y a deux ans, Quels sont les signaux justement qui font croire à cela Oui, mais je pense que <clears throat> nos amis du pouvoir ont peur d'une élection en 2017. Si l'on regarde les tergiversations et les gesticulations en direction du peuple sénégalais, donnant des signaux euh, qui nous donnent penser à un recul, euh, à un recul de ces élections-là. Euh, nous pensons que l'élection ne va pas être organisée en 2017 par ces mêmes gesticulations qui nous donne des signaux. Je pense qu'aujourd'hui, le régime en place n'a pas de projet à présenter, n'a pas de bilan réellement à présenter aux Sénégalais, d'où la peur qui les habite. Euh, c'est pourquoi euh, tout le monde sait que euh, une élection qui doit se tenir en 2017 et qui n'est pas encore annoncée, euh, fait penser que euh, euh, le président Macky peut-être a l'intention de reporter ces élections, mais de toutes les façons, comme je viens de le dire, l'opposition sénégalaise se mettra ensemble pour le, bar, pour le battre aux élections législatives de 2017. Mais aux dernières informations, on nous dit qu'il chercherait euh, à faire un report également pour les mêmes élections législatives. Mais je dis que si cela se faisait, euh, la même chose que le 23 juin va se reproduire. Le peuple sénégalais se dressera comme un seul homme pour leur barrer la route. Est-ce que nous avons dernière question, Wow, euh, question relative à à l'élection Oui. kon maa ngi il di gërëm euh, yaakaar élection élection présidentielle 2017 Nous avons dit que le régime actuel de ko bëgg parce que beaucoup de delloowul ginnaaw amul proposé Sénégalais 2017 bilan bu mu proposé amul Macky Sall candidat de ci dara donc il est en train de tergiverser

te yaakaar naa ni opposition bi yëpp ànd nañ ci loolu loolu ñu ngi ciy liggéey ndaxte loolu la bëgg mais mi ngi bëgg tam euh, loo bu delloo élection yi ginnaaw élection présidentielle législative bi moo ko jaaxal mais liñ ñu wax ñi ngi seet nuñ koy reculer mais buñ ko reculer tam ñu àndaat nekk benn rek Euh, ñun ñëpp comme le 23 juin taxaw lolu baña am. parce que yaakaar naa ni Sénégal léegi kenn nelawatul ñëpp yow nañu lolu kenn mënatu ko fi def ñi ngi naan dañ ko PS defoon nako reporter won woon nañu élection législative reporter nañu élection PDS aussi def nako mais ñoñu amul won élection présidentielle booba ay circonstances mo taxone donc. loolu bokkul ñi ngi koy wax loolu pour mu def ko mais bu ko defee tam problème lay indi ci réew mi danañ taxaw kenn dootul gouverner réew mi ba nga xam ni yoon danañ ko teg ci yoon. parce que moom moo taxawoon moom yëf yi du du du engagement la dafa defoon promesse électorale bi mu nekkee candidat bi mu yéegee mu def engagement engagement boobu mooy dafay wàññi mandat bi. ñëw na France wax ko na na Amérique wax ko dem na ci mu adina bi yëpp wax ko wax na ko à la face des Sénégalais té sax ci am solo kon na respecté gor dañu wax ni gor ci wax ja na respecter lu mu def ko bu ko défé bu Yalla nous mu Nous mu ne dotul falu du falu reculer élection taxul Yalla moy joxé nguur Yalla bu ko bëggé joxat dina ko jox na gëm Yalla xamni koy jël amul won dara eh, am na parti ko ëppoon nit yalla jox ko ko il faut mu gëm yalla fexé ba élection yi ñu def ko 2017 ku yalla tan ñu xamni ki la yalla tan wa président nga ne ko aussi da ngay défiscaliser euh, matériel agricole ak créer benn banque sénégalaise oui c'est vrai dama bëgg bu bu ma nekkee président euh, li nga xamni moy matériel agricole mu melni tracteur wala lépp lo xamni da fay jëm ci agriculture sénégalais bu nekk bitim si vous avez ce tracteur si Dakar da ngay dawal ce tracteur parce que quelqu'un la douane agriculture parce que sénégalais extérieur ont ci mbay Italie surtout Espagne Et connaissance yu Bari Bari, mais pour ñu il faut que nous créer les conditions donc loolu foog ñu may leen ku ci indi matériel agricole ñu may la pour nga mën a installer loolu am na bu loolu passé itam bëgg naa ñu créer benn banque boo xam ni euh, ñi nekk bitim réew sax ñoo koy moom parce que ñooy jënd action yi. bu ko defee bu fekkee ni action yi man na permettre ñu egg niveau bi nga xamni mom lañuy créer banque niveau bi banque centrale fixé ñom ñu mom ko à 100 buñ ko momul à 100 état dugal ci loxoom jappalé leen ba banque bobu mën taxaw banque bobu nak bëgg na conseil d'administration bi yépp sénégalais de l'extérieur ñoo ciy nekk ñoy élire seeni membres ensuite euh, même banque bi pour le management bu amé ño xamni ni am nañu profil bi nek bitib rew ñu jox len ko ñu manager ko lolu lolu la bëgg mais à côté de la banque des Sénégal fay dugal ben fonds ci biir banque bi ben fonds bo xamni ni nañ wax ni mën nañ ko démarrer 100 milliards et chaque année dans le budget national, nous sommes certes Si on Pourquoi nous des les Sénégalais, Italie, Espagne, France, Agyenéni, nous avons nous participé. Pourquoi nous fait, Sénégalais a un projet sérieux, un projet euh, viable viable. Si on même 100 millions, 200 millions, ça dépend de nous, nous financer parce que nous avons xool du financement Nous avons muy indi en termes de création d'emplois. Nous avons indi en termes de richesse Nous avons en termes de transfert de technologie parce que c'est important Nous la réew mi di pour qu'en 5 ans Sénégal n'ait pas une révolution donc banque Bobo j'y parce que les sénégalais de l'extérieur sont bokk ci Ils ont waratuñu mën a def ay programme ak ay politique te boolewuñ leen ci réflexion bi des itam ñu wax des xalaat wax c'est important parce que nous avons des cadres de très haut niveau à, à travers le monde Nous avons naa ni réflexion mën nañoo def loo xam ni dina am ci njariñ ci réew mi dina am njariñ ci doomu réew mi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew loolu mooy idée boobu ma développé ci création de la banque sénégalaise pour la diaspora